agresseur yi di ma sonal di ma fitnaal sooy jaay fit ñu génne la paaka wala fital soo feebaree sax amoo ku la yóbbu hôpital su ma xiifee sama loxo laay tàllal cet enfant reste là, face à son destin. Spectateur d'un monde où règne le silence, sa peine sera de perdre son innocence. Esclave d'une vie qu'il n'a plus choisie enchaîné par la peur de mourir. Mais comment pouvez-vous fermer les yeux et croire que tout ira mieux Si personne ne fait rien, non. Si personne ne fait rien, coupable nous serons de ces orphelins. Voulez-vous vraiment que tout s'arrête Si ça continue, vous tout viendra peut-être. jamais Quand les choses vont vraiment mal Comme elles savent si bien la faire quelquefois Quand la route sur laquelle tu chemines péniblement Semble s'achever au sommet d'une colline Et quand les vents sont pas et que les têtes culminant Il faut jamais tenter d'abandonner Patience, longue de temps pour celui qui sait attendre Ne tends pas la main à qui que ce soit dans la vie S'il faut tendre à Dieu, le tout Dieu Et le tout puissant Allah agresseur yi di ma sonal di ma fitnaal sooy jaay fit ñu génne la paaka wala fital soo feebaree sax amoo ku la yóbbu hôpital su ma xiifee sama loxo laay tàllal Le cœur guidé par la souffrance des siens, cet enfant reste là, face à son destin. Spectateur d'un monde où règne le silence, sa peine sera de perdre son innocence. Esclave d'une vie qu'il n'a plus choisie, enchaîné par la peur de mourir. Mais comment pouvez-vous fermer les yeux et croire que tout ira mieux. Si personne ne fait rien, non. Si personne ne fait rien, coupables nous serons de ces orphelins. Voulez-vous vraiment que tout s'arrête Si ça continue, vous tout viendra peut-être. peut Donc c'est un grand plaisir de vous recevoir. Euh, c'est un grand plaisir de vous recevoir parce qu'on reçoit ce soir et on va euh, honorer, récompenser et décorer une grande dame. J'ai le plaisir de faire la connaissance peu de temps, euh, qui m'a beaucoup impressionné. Mais c'est pas à moi de faire le discours ce soir, le panégyrique, le général Sec. Je vous passe tout de suite la parole, mon général, pour vous laisser officier avant que je me remette cette belle récompense en général. Le micro est à vous. Excellences, Monsieur l'ambassadeur de France, représentant de la République française, Madame Antamor, présidente de l'association Empire des enfants, mes amis, Mesdames, Messieurs de l'ambassade, Mesdames, Messieurs les invités, chers enfants, s'il de l'Empire des enfants. Il me revient l'insigne honneur de prononcer le discours d'ouverture de cette agréable cérémonie de remise de médailles de Chevalier de l'ordre national et de l'ordre de la Légion d'honneur à notre récipiendaire, Madame Antambao, citoyenne de France et du Sénégal, par son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, sur proposition de Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Cette prestigieuse distinction récompense le travail d'une grande dame qui a consacré et qui continue inlassablement de consacrer toute sa vie à la protection de l'enfance en difficulté et sa réinsertion harmonieuse dans notre société. Cet amour viscéral pour ses enfants en difficulté s'est révélé dès son enfance à Dakar, sa vie natale, avant qu'elle ne puisse en faire sa profession en France, son pays d'adoption, notamment à Gien, dans le Loiret, pendant plusieurs années. Par la suite, avec le concours et le soutien de bonne volonté et de plusieurs amis, dont Madame Valérie Schulenberger. En 2003, elle a enfin pu réaliser son projet mûri depuis plusieurs années d'ouvrir à Dakar un centre d'accueil et de réinsertion des enfants en situation difficile dénommé Empire des enfants. Avec peu de moyens, mais avec une foi inébranlable. Elle a accompli un travail remarquable, reconnu sur le plan national et international par l'ensemble des acteurs, des acteurs intervenants dans ce domaine. Cela s'est traduit par de nombreux prix et distinctions. D'abord au Sénégal, le prix CEDAR Action civile en 2005, le prix pour la lutte contre l'exclusion par l'organisation de la diaspora sénégalaise en 2009, le prix citoyen modèle en 2013 et à l'étranger, Certificate of Award en Suède 2016 de l'ONG Charles 10. Protection Awards aux États-Unis en 2008 par l'ONG World of Children. La République française, à travers son gouvernement, vient ajouter une autre ligne à son remarquable curriculum vitae qui nous honore nous tous. Monsieur l'ambassadeur, c'est bien pour ça que, à mon nom personnel, au nom de Madame Antambaou et du personnel, des pensionnaires de l'Empire des enfants et de ses nombreux amis ici présents, je voudrais vous remercier vivement du fond du cœur et à travers vous, la République française, pour cette magnifique reconnaissance pour le travail colossal accompli jusqu'ici par cette grande dame et qui continue encore de plus belle avec son sourire ineffable, elle a toujours le sourire, et sa générosité légendaire et son enthousiasme si communicatif. Je ne saurais terminer sans rappeler, sans rappeler que notre centre d'accueil a encore besoin aujourd'hui puisqu'il de soutien de tous ordres de la part d'institutions comme la vôtre pour continuer à nous battre pour l'éradication de ce fléau, fléau est l'enfance en difficulté. C'est après mon retour de Washington en 2002, où j'étais ambassadeur pendant dix ans, que j'ai remarqué le travail admirable de cette dame dans un domaine qui m'intéresse particulièrement, celui des enfants vulnérables. Vive l'amitié de la France et du Sénégal, et multiséculaire. Je vous remercie. Sinon, deux choses en général. Une que vous connaissez mieux que personne. Euh, je l'ai expliqué aux enfants il y a, cinq minutes. Euh, cette décoration est la plus prestigieuse euh, que la France puisse remettre, euh, la République française puisse remettre. Elle est toujours sur, toujours l'ordre du président de la République. Euh, et elle a été créée il y a longtemps, mais aussi rare que vous êtes, c'est ça, encore une fois, mille personnes. Elle a été créée de mémoire en 1802 par Napoléon, au départ pour principalement récompenser ses soldats. au fur et à mesure que les années ont passé, dans les siècles ont passé, euh, la République a pensé qu'elle devait récompenser non seulement euh, ses soldats, bien sûr ses soldats, euh, mais aussi certaines personnalités françaises ou étrangères qui présentent des mérites particuliers et qu'on qualifie d'éminents pour remettre cette, déclaration. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose qui est plus personnelle, j'ai eu la chance de visiter comme vous, à moi je vous, euh, l'Empire des enfants il y a 15 jours seulement, de faire connaissance avec l'Empire. Et je suis très très impressionné par le travail qu'elle fait euh, auprès de ses enfants. Et je crois qu'il y a euh, beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble, plus encore que ce qu'on fait déjà, parce qu'on fait déjà des choses ensemble dans les, années, euh, dans les années qui viennent, parce que comme vous le disiez en général, s'il y a une cause qui mérite qu'on se, qu qu'on on bouge un peu, beaucoup c'est ça de, on arrive euh, quand euh, on y met euh, un peu d'effort. de Voilà. Maintenant, c'est la partie très officielle. À l'avant de sa peau. Je suis président de la République.

En tout cas, euh, je suis très contente euh, voilà, d'être là et surtout de vous voir tous depuis des années que cette personne-là me suive partout, ma famille et toutes, euh, tous nos amis, tous nos partenaires et de voir ces enfants grandir, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Voilà, Général Sec a fait les choses officielles. Moi, je suis un peu non officielle, et je fais mes trucs, je dis mes trucs, on ne m'arrête pas. Hein. Des fois, je suis très dangereuse devant le micro, mais monsieur l'ambassadeur, si vous êtes fatigué, vous me dites. Hein. Voilà. Donc, euh, merci euh, à tout le monde. En tout cas, tout le monde est joli aujourd'hui, hein. tout le monde est beau. Je pense que je suis ravie parce qu'aujourd'hui, c'est un jour important pour tout le monde surtout pour les enfants. Tout à l'heure, après, euh, en partant, les petits-petits, là, que vous avez vu la dernière fois, ils m'ont dit, mais nous, on n'y va pas. J'ai dit, non, vous, vous connaissez l'ambassadeur, il est venu vous voir, vous rencontrer. Maintenant, nous, on amène les grands, et il reviendra vous voir. Il dit, bon, alors, tu es parti chercher quoi, là j'ai dit une médaille, Kounoul a essayé de dire médaille, raille, enfin il a dit dans tous les noms, ça ne marche pas, j'ai dit une coupe. « ce que vous avez coupe ici ah, Je propose quelque chose, je dirais c'est la coupe ça. Moi j'ai dit jamais je vais chercher une coupe. Ils disent on t'attend avec la coupe, hein. là j'ai un problème. Euh, si tu vas m'aider si tu as une coupe chez toi, tu me l'envoies tout de suite. Voilà, donc on leur a expliqué aussi pour comprendre qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi on te donne cette médaille. J'ai dit, il paraît que je m'occupe bien de vous. Ah, ils ont dit, ah ça c'est vrai. Ah, j'ai dit, bon, alors je vais pas aller chercher la médaille. ça, c'est les enfants qui m'ont parlé comme ça avant de partir. Voilà, je ne vais pas euh, être longue. Je voulais simplement remercier, remercier euh, toutes les personnes qui sont là. Je vais commencer par M. Jean-Yves Le Drian, le ministre de, de l'Europe et des Affaires étrangères, parce que j'ai reçu son courrier directement chez moi. Voilà, monsieur l'ambassadeur et toute son équipe, hein. eh bien Tiffany, hein, vous allez commencer à dormir demain, parce que je l'ai fatigué. Hein. À chaque fois, j'ai rajouté, j'enlevais, j'ai rajouté. Des fois, j'appelais, j'ai dit, bah, alors, il n'y a plus de place. Non, ben, alors, poussez celui-là, prenez celui-là. Donc, voilà, c'était très compliqué pour moi. Il m'aurait fallu le stade si j'avais invité tout le monde, si toutes les personnes qui voulaient venir viennent, il n'y euh, aura pas cette place. Donc, euh, remercier le général Mansour-Sec, qui, comme il le dit, euh, mon général, comme il le dit toujours, il est très proche des enfants. Quand il vient à l'Empire, c'est l'hymne national, les enfants, gardez vous tout le monde comme ça, repos, allez hop, repos. Il est avec ses enfants comme ses petits-enfants, il les aime, il est toujours avec nous et ça, je pense que c'est important de le dire. Ce n'est pas des trucs officiels. Il arrive à l'Empire quand il veut, comme il veut, tous les jours. Voilà. Donc, remercier Madame Valérie Schumberger qui aurait aimé être là. On s'est eu au téléphone. Elle m'a dit il y a des grèves, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle peut venir que le 5, euh, le 5 décembre. Voilà, après je voilà, Inch'Allah, La grève commence le 5. elle me dit vraiment c'est La grève commence Il y a les grèves. Voilà, remercier M. Mouroudoubal, je pense que peut-être euh, qu'il sera là ou pas. Mouroudoubal a été mon premier conseiller en communication depuis 2003. Le premier jour, quand on a ouvert l'Empire, quand on a inauguré, mal est arrivé avec une équipe de télévision, c'était le directeur des programmes euh, de la télévision euh, sénégalaise. Le premier jour, il m'a coaché depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui quand j'ai besoin d'un conseil, euh, parce qu'avant j'ai arrivé avec presque mes gants, quoi. Je disais, c'est pas normal que les enfants fassent ça, mais J'étais assez euh, calme, doucement. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. Si tu agresses les Sénégalais, tu les perds. J'ai dit, ah bon, comment on fait Je vais pas les caresser non plus. Hein. Il me dit, non, tu peux communiquer tranquillement, gentiment et faire en sorte qu'on t'écoute. Quand on t'écoute, tu auras tout gagné, même si euh, c'est difficile de, de sortir tout ça. Voilà. Un docteur est venu un jour me vendre un festival. Il m'a parlé du festival d'humour, festival de musique, festival de tout ce que vous voulez. Voilà, j'étais d'accord, il devait faire des trucs pour les enfants, au centre culturel, à l'Empire. J'ai dit, ok, ok, monsieur, monsieur. Avant de partir, j'ai fait, mais monsieur, monsieur Correa, euh, qu'est-ce que vous faites comme travail Il me dit, je suis docteur. J'ai dit, bon, rassez-vous, on oublie la musique et on parle de docteur. Et depuis 2003, c'est lui qui gère, qui a organisé tout le volet santé de l'Empire des enfants. Il est là, présent, docteur Correa. Et depuis, depuis, depuis, je, je, je, il, sait, il comprend aussi. Je l'ai appelé à tout moment, à toutes les heures. Patrick, il y a un problème, on fait quoi Il oriente, il vient lui-même, il m'envoie un médecin. Donc merci à docteur Correa et madame. Voilà. Donc euh, Idrissa Diop, est là, là, présent. Il était venu au Sénégal pour un reportage avec la fondation Carlos Santana. Il vient à l'Empire, il me dit, mais toi là, qu'est-ce que tu fais dans ce cinéma-là il n'y a personne Je vois du, du ciment, des ceci. Qu'est-ce que tu fais ici Tu viens de France, tu là. Je lui ai expliqué cinq minutes, une me ah tu es là pour t'occuper des enfants qui sont dans les rues, mais tu sais, c'est très compliqué. J'ai dit, mais justement, Peut-être que c'est parce que c'est compliqué que je suis dedans. Moi, les choses simples, euh, on oublie. Et Idrissa Diop, depuis 2004, pareil, il est avec nous, il nous suit partout. C'est vraiment le premier parent de l'Empire des enfants et ça, c'est un plaisir. Il est toujours là, il dit encore merci. Merci pour les enfants. Voilà, Pape Momar, Pape Momar Fall, c'était un étudiant il m'a quitté étudiant, il est venu retraité, il me dit qu'est-ce que je peux faire pour les enfants. J'ai dit ça il as fini ta carrière. Alors, hein, tu étais étudiant, tu m'as quitté en France, et on arrive au Sénégal, il vient, il me dit je suis retraité, qu'est-ce que je peux faire pour toi Et depuis des années, Papa mon il est où caché ah, Quelque part, là-bas, euh, dans le mur là-bas. Encore merci, Papa, merci. Et depuis, il est avec nous, un grand conseiller, quelqu'un qui, qui, qui est là, qui est là tous les jours. Voilà et l'histoire de, des, lions, les lions, du Sénégal. Les lions du Sénégal. Représentés par Diomansi Camara ici présent, et Fazila, elle est où Elle se cache tout le temps, ça, la, femme. Ah, voilà. Les lions là, et eux là, quand ils attaquent, attention, hein, ah, oui. ils vont arriver. Hein. Les lions sont venus à l'Empire des enfants c'est Khalilou Fadiga qui a mis les pieds le premier à l'Empire. Il me dit, maman, qu'est-ce que vous faites là J'ai expliqué. Il va, il parle avec Diobansi. Ils étaient euh, pas très loin de, de l'Empire en mouvement à Terroubi. Diomansi qui vient, qui nous rencontre, qui demande, qui regarde, nanana. Et après, qui retourne dans la tanière et qui va pêcher euh, quelqu'un comme Dembaba, qui dit bah, il y a une association, il faut aller lui voir. Moussa Sao, il y a une association, là il faut aller voir. Et voilà. Et Joe est toujours là, Fadiga pareillement, Moussa pareillement. J'en parle et Demba aujourd'hui parce que cette belle bâtisse, cette belle maison qu'on a à face, ah on a pu avoir. C'est mm. quelque chose que moi je ne veux pas rêver, mais cette fois-ci mon rêve a fonctionné et c'est grâce à eux. Merci Yomassi. ils représentent tout le monde. maison. Et il continue à nous soutenir, il continue à envoyer euh, tout le monde pour venir, il poser des questions. Il a des filles ici. Mm-hmm. Euh, monsieur Mouchelet. voilà, <laughs> Et moi aussi, je suis seul. <laughs> C'est mon parrain aussi, hein Qu'est-ce que c'est que ça Vous rigolez ou quoi C'est pas vous tout seul. Merci Dio. Bon, l'équipe de l'Empire des enfants, que je ne cesserai de remercier parce que sans l'équipe, euh, on fait quoi Hein il faut une équipe qui donne le bal, qui avance, qui, qui, moque. Par contre, euh, les moques là, on a deux garçons qui sont télescopés dimanche et il y en a un qui est ouvert jusque-là. J'ai dit, bon, le football amène un peu d'argent pour la En plus, ça nous amène des problèmes. Ils sont télescopés et paf, ils passé l'après-midi dimanche à l'hôpital. Voilà. Donc, remercier tous nos partenaires qui, qui, qui, nous soutiennent, qui soutiennent l'Empire depuis, dont Amadou Sek qui est là présent. Euh, je remercie ma famille, je remercie euh, tous mes amis, je remercie mes grands frères Biramignan, je pense, où ils sont perdus dans le coin. Biram, Ah ben, ça y est, ils ont retrouvé le chemin à Kadi. Je vous remercie. Voilà, c'est notre grand frère là. Ah c'est tous ces gens-là qui m'ont élevé. Voilà, c'est mon grand-père. Voilà, Mané, Jenna, mon, mon, éducateur euh, avec qui je me suis tellement battue, on ne dit pas ici. C'est lui qui m'a enseigné le Coran. Maguette Dramier qui est quelqu'un aussi de très important parce que je l'ai connu, j'avais, euh, voilà, j'étais toute petite. Donc, je remercie aussi euh, euh, euh, attendez, Christophe Marty. Marty. Marty aussi, il s'est fâché une fois. Il a vu un article dans le journal Empire des enfants, euh, chercher des fonds pour récupérer leur véhicule qui était bloqué au port. Donc, on avait beaucoup communiqué dans les journaux et je vois un certain monsieur qui arrive. Il nous dit, c'est Marty, ok euh, j'ai un véhicule, euh, voilà, là-bas, est-ce que je vais le réparer pour vous donner parce que vous dites que vraiment vous en avez besoin et tout et tout. J'ai dit, bah oui, mais bon, c'est au bord, on ne sait pas comment faire. Mais il me dit, je vous donne mon véhicule. J'ai dit, d'accord. Avant de partir, comme d'habitude, moi j'ai pose trop de questions. J'ai dit, monsieur, vous faites quoi dans la vie Il me dit, je suis le directeur de Phoenix. J'ai fait quoi Phoenix Sécurité il dit oui, j'ai dit bah, laissez la voiture tomber, amenez-moi la, sécurité à l'Empire. Et ça fait des années et des années, gracieusement, 24 heures sur 24, Empire est gardé par Phoenix. Et ça depuis 12, 13 ans maintenant, ou un peu plus. Voilà, merci à Marty, on toujours merci, merci Marty, franchement, merci beaucoup. Parce que vraiment, vous êtes venu naturellement, parce que vous avez lu un journal. Vous êtes arrivé, au lieu de m'offrir une voiture, je vous dis laissez la voiture tranquille, je préfère la sécurité. Parce qu'il y a une période où on était très attaqué, où il y avait beaucoup de bagarres dans l'Empire, les jeunes se battaient avec certaines personnes qui venaient pour récupérer leur talibé, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc j'ai dit j'ai plus besoin de sécurité que d'autres choses, qu'un véhicule. Voilà. Donc, euh, euh Gassan Ezdin, je pense, Gass. Il n'est pas là, mais il est de tout cœur avec nous. Il m'a envoyé un message, je ne sais pas quoi, extraordinaire. Hein. Ça fait des années qu'il m'accompagne. Vous, vous le voyez tous les jours, mais vous ne saviez pas ça. il le fait discrètement. Voilà, Gassam Bézé, on appelle Gas, il a une fondation tous les mois. Il fait ration pour les enfants, tout. Donc, vous le remercierez. Vous allez le voir à, à la pétanque. Parce qu'ils jouent à la pétanque, ils euh, jouent tout, tour, je dire hein, et c'est eux qui savent. Voilà. Donc, euh, euh, remercier Didi qui est là. Didi, merci. Merci, Mani. Didi. Voilà, Anoubougay ADS. Hein, à l'aéroport, quand il y a des problèmes, je dis à tout le monde, hein, toute la famille, appelez ah, Amadou Il est fatigué, mais ça fait rien. On est en Afrique, ma valise est perdue, j'ai dit appelez Amadou euh, j'ai perdu mon, mon ticket, appelez Amadou Guen. Et il est toujours présent, il m'a toujours soutenu et tout. Hmm. Et je remercie tout le conseil d'administration. Franchement, vous êtes venus comme Ibrahim Adem qui arrive de Thiès voilà, mais lui, c'est comme ça, il m'a appelé il y a quelques jours pour me dire je voyage, mais je ferai tout pour être là. Merci Ibrahim hein, hein, de, de, voilà, cet amour pour les enfants, on en a parlé et vous me dites voilà ce qu'on peut faire, on est dedans. Finalement, il est dans le conseil d'administration et ça, on ne pouvait pas souhaiter mieux et surtout, voilà, c'était naturel. Je lui ai fait, euh, voilà, on a dit des choses et il dit voilà, je suis dans le conseil et on n'a pas vu. Amadou, voilà ah, Mansour ah <laughs> Mansour Mansour notre architecte euh, bien-aimé et sa femme que les enfants cachent là. Vous cachez bien hein? là Hein? Aziz, t'as grandi trop vite dans ce coup là. Aziz là. Patrick, c'est Aziz hein Oui, Aziz. Aziz qui était où comme ça. C'est lui Maintenant, il, il, ah ben, monsieur l'ambassadeur, il n'a jamais vu ça. Je vais refaire une deuxième fois. Elle a voué. Allez, on commence. Non, non, non. Première année, la première. La deuxième, je vais... Euh, bon, alors je ne bouge plus. voilà, en tout cas, merci, merci à tout le monde. Ministre Diop, je pense qu'il va faire un petit quelque chose. Voilà, un petit truc euh, tout fin. Voilà, merci à mes neveux et nièces, Mam Samba et Mme Cher qui représentent. Euh, euh, leur papa ici, donc euh, Babacar qui n'a pas pu se déplacer de et Gagnon. Je vous remercie et voilà, c'est eux aussi qui m'ont appelé. Je fais un peu à la mannequin là. Voilà. Merci. Voilà. Ah, oh, je veux remercier tous les enfants parce qu'eux aussi, ils ont besoin pour les remercier, parce que euh, ils nous écoutent. Les conseils, ils écoutent, ils nous suivent. On les a éduqués et quand ils sont quelque part, souvent on me dit, mais ils sont ils sont timides. Ce n'est pas de la timidité, c'est parce qu'ils savent que quand ils, sont quelque part, il faut bien se tenir. Voilà, et on leur donne une chance, c'est nos élèves. Et je souhaiterais que Thomas vienne dire un petit mot euh, à l'Assemblée et tout, parce que c'est très important. Parce que maintenant, vous savez parler. Hein. J'ai dit maintenant aux jeunes à l'Empire, je vais arrêter de parler parce que c'est à vous de parler maintenant. C'est à vous de parler. Non, dame. Voilà. je vais juste, avant d'arrêter moi complètement, faire euh, un hommage. C'est à mon frère, Amoudou Gueye. Amoudou Gueye qui était un professionnel de basket, qui a vécu en France très longtemps, qui était français, qui a fait l'armée française et tout. C'était mon jeune frère et professionnel de basket aussi euh, dans plusieurs clubs. Il a fait les beaux jours de, plusieurs clubs. Et il était à Bourges pour sa dernière année et malheureusement aussi il est tombé là-bas, donc il est décédé. Je lui rends hommage aujourd'hui et la médaille s'appellera DAF tout court. Voilà, et euh, sans oublier Didier Marta aussi, un ami des enfants qui est parti le 3 décembre il y a quelques années. Voilà. Je remercie tout le monde. J'espère que j'ai publié personne. Notre psychologue là, qui est caché derrière là-bas, j'ai bien, il se cache. Hein, et Dieu s'il là. Merci encore d'être là. Voilà. Merci à tous. Euh, lui là, c'est qui là il y, a, plein de Kounoul Il faut savoir à qui tu parles. Le Kounoul euh, du Khalam, du Khalam, il est là. Euh, représentant le Khalam, hein, hein, parce que je sais qu'ils sont dispersés. Il y en a à Paris, Henri, il est à Saint-Louis, ainsi de suite. Et le Khalam, c'est un groupe avec qui, vraiment, j'étais leur sœur en France. Il y a des moments, ils me voyaient dans un festival ou à Genève ou à Bordeaux ou à Paris. Absolument. Euh, à chaque fois, ils se disent, mais ils sont où celles-là Je les suivais, je suivais les infos. Et voilà, euh, de, temps en temps, j'étais les voir euh, sans même qu'ils soient au courant et tout. merci aux Khalam qui aussi m'ont beaucoup soutenu au niveau de la France et tout. Et rentrer ici aussi, ils continuent, ils viennent à l'Empire, ils font des concerts pour les enfants. Donc ça me fait plaisir. Merci, Merci au Khalam. Merci à toi. moi ah. Je me suis oublié. là Bonsoir. Bonjour, c'est un parent. C'est un frère. Je suis très content d'être ici ce soir. Et je remercie tout le monde est présent et ceux qui ont organisé cette euh, magnifique chose cette médaille. Je vous dis merci encore au nom de l'avenir des enfants et des élèves et des frères qui sont là. Merci. Alhamdulillah, j'ai grandi à l'Empire depuis que j'avais 8 ans comme ça et jusqu'à présent. Et il y a mon papa et Kamara qui est mon fiole et sa femme derrière. Derrière Fazil. Oui. Ce sont mes parents adoptifs il me paye la scolarité et il assure ma vie à l'envers. Ça, je dis à états. Et mon frère qui est un grand footballeur, donc je vais s'occuper des contrats après. <laughs> je ne serai long parce que euh, ils ont tout dit, les papas et mamie en Je vous dis encore merci. J'ai le cœur qui est mouillé. Les larmes pas grave. dans le cœur, je ne veux pas pleurer comme ça, mais il y a quelque chose à oublier. Merci, merci. merci. Je suis très très content. Je ne sais pas comment dire, mais je vous remercie encore. Merci. Merci. À toutes et à tous, vraiment, en tout cas, l'émotion est à son comble, comme on dit. Moi, je dirais simplement, un temps merci d'exister. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'ambassadeur. Et euh, je voudrais vous lire un petit, euh, petit poème comme ça, quelque chose que, que a écrit pour les enfants. Il s'appelle euh, Vincent Naboun qui est là. Préserver les droits des enfants est un devoir qui incombe à chacun d'entre nous. Ces enfants, c'est vous et moi. À un certain moment de notre vie, nous puisons en eux ces choses essentielles à nos existences. Nous voudrions les réinsérer dans ce que l'humain a de plus beau, le partage d'un foyer, l'affection la considération. Car l'homme est le médicament de l'homme. Exercer notre solidarité à l'endroit des plus vulnérables d'entre nous, c'est leur offrir l'opportunité de se construire des rêves, de belles trajectoires, un destin. Je vous remercie. va interpréter peut-être euh, deux petites chansons, mais on va commencer par la plus connue. Alors DJ, on y va. Je vais chanter euh, les enfants, euh, leur hymne, et je pense qu'ils vont venir chanter ça ici avec votre parent. Et je profite de l'occasion, Gas qui vient d'arriver et se un ami qui nous a accompagnés, qui nous accompagne depuis des années et des années. J'en parlais tout à l'heure. Mon frère aussi, Maouane, quand il est pas à 68, lui. Attention. Hein. Fire Fire C'est fini le fire Très bien. Mai 68, terminé. Tant que les enfants seront dans la rue, fire. Fire, voilà, t'as raison. Tant qu'il y a les enfants dans les rues, on continue. Voilà, ça, mon c'est clair. Kader, hélas, qui s'occupent des enfants pour l'école. Après leur travail, ils viennent à l'Empire. Lui, l'étudiant, Kader, travaille, mais après le boulot, fatigué ou pas fatigué, c'est eux qui viennent euh, aider les enfants pour faire leurs devoirs et tout et tout. Mais venez, venez les enfants, venez là. Venez, venez, avec les éducateurs, avec l'encadrement là. À notre tour, nous, Serge, euh, regarde, frimeur. C'est la famille, comme on dit. Voilà. il n'est pas venu, mais bon, euh, on est là aussi euh, de tout cœur avec lui parce que Zouer nous a beaucoup soutenus et il continue à nous soutenir depuis plusieurs années. Alors, on fait la chanson, hein On fait la chanson. Zouer, fille. C'est pas normal, hein. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes en train de me dire quoi dans mon dos, là hein? ah bon, ben ben, je croyais que vous parlez encore de moi, hein, et de la médaille qui va encore tomber. Bon, non, non, il faut aller oui. Moi, je suis un enfant. Voilà, ils ont un hymne à l'Empire. Ils le chantent, ils l'ont chanté pour l'ambassadeur, mais les plus petits. Alors là, c'est les plus grands je vais vous aider. Hein. Allez, à toi. Un, deux, trois. Je suis un enfant, le fils de mon pays, le fruit de ma nation, espoir de demain, enfant de l'Empire, les fils de Médina, adolescents de Dakar. Soutenons le Sénégal man Halela, xale yaka, Yaka yakar Sénégal la Soubala, suba empire la adduna gis xale Voilà, je suis un enfant et je dois être responsable euh, quand je serai grand. Mais si on ne m'apprend rien, je fais quoi euh, Je ne sais pas. Je ne euh, veux, pas être bien long. En tout cas, je voulais remercier Anta. Anta, pour moi, c'est comme une maman. On a commencé ensemble depuis 2003. Et on, vient de dire tout de suite les, les enfants de la rue. Et en fait, moi, il y a toujours un mot qui m'a marqué avec Anta, c'est la rue, il n'y a pas d'enfant la, rue ne fait pas d'enfants et ça c'est la première chose qu'on a combattue avec Anta, euh, de toujours dire qu'il n'y a pas d'enfants dans la rue et qu'on va toujours se battre pour les, pour les sortir aujourd'hui. Euh, cette jeunesse, c'est la, jeunesse du continent, c'est la jeunesse du Sénégal, mais au-delà de cela, on doit se battre pour eux. Euh, aujourd'hui, c'est un jour de décoration, donc c'est un jour de fête. Elle mérite les honneurs, cette dame-là, mais elle commence à, prendre de l'âge, elle commence à être fatiguée. Et pour moi, la, richesse, elle est humaine. Et on voit qu'ici, il y, a beaucoup de gens avec énormément de cœur. Donc il va falloir qu'on s'associe tous. Elle a réuni qu'une partie du puzzle. Je remercie euh, l'ambassadeur de France d'avoir décoré euh, cette grande dame. <laughs> Et euh, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, je pense que c'est également votre cas. On a vu qu'il y, a quelques jours des enfants enchaînés. Et ça, nous, on va, on, on va jamais l'accepter. Notre voix, est porte et on dira toujours que l'enfant ne pas être attaché par le feu. Alors certes, on a une magnifique religion qui est l'islam, il y a également le christianisme. On vit tous ensemble, on est un peuple extraordinaire, mais il y a certaines euh, pratiques que nous, ne tolérera pas et qu'on fera, euh, qu'on toujours avec Anta. Euh, ah, donc voilà, moi je représente les l'élan du Sénégal. On espère qu'on continuera ce combat. Dembaba, Moussasso, Issiardia, euh, Doudou Jacques bien évidemment Kalilou Fadiga, le grand frère qui n'a pas pu être là. Mais quoi qu'il en soit, continuons à, nous battre, continuons à aller de l'avant parce que cette jeunesse, elle le mérite. Merci beaucoup et un grand applaudissement pour cette année. Merci, euh, Dieu. Merci. En tout cas, euh, je vois mon, mon, premier conseiller en communication qui vient d'arriver, M. Momodoubal, qu'on peut applaudir. J'en ai en retard, voilà, on se calme, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Bal, je te remercie. Voilà te remercie aussi d'être là. Voilà, je sais que ce n'était pas évident, mais tu es là. Est-ce que je te donne le micro direct tu es un communicateur, allez, on y va. Tu m'as aidé, euh, voilà. Euh, juste pour m'excuser auprès de cette auguste assemblée, parce que j'ai été retenu d'abord par mon travail et ensuite par la circulation qui n'est plus une excuse dans ce pays. Tout à fait. Mais le pire n'a pas été ça. Avant d'en venir à la félicité, je me souviens que le jour où j'avais l'honneur d'être élevé au cadre de commandeur de l'Ordre national du mérite, je suis moi-même arrivé avec 45 minutes de retard. Il y a de ça 5 ans. J'espère que je suis excusé, madame. Elle, elle est formidable. Je l'appelle ma grande parce que le courage qu'elle a, on ne le retrouve plus actuellement. Ce qu'elle a osé faire, après être restée très longtemps en France, de se dire il faut qu'elle vienne, parce qu'à chaque fois qu'elle venait en vacances, elle voyait la petite misère dans laquelle vivaient les enfants. Et qu'elle soit décidée de se dire, moi je rentre au Sénégal, non pas pour me mettre à mon propre service, non pas pour travailler, pour gagner de l'argent, mais chercher de l'argent pour entretenir des enfants, des enfants déshérités. C'est un grand mérite. Il faut avoir un grand cœur pour le faire. Elle l'a eu. Et depuis, elle a continué à se battre. Elle continue toujours de se battre, même si elle a déménagé, ce qui est dans son cœur, il reste. L'homme n'a que le cœur, elle, elle a le cœur. Et je suis sûr que si le cœur devait amener quelqu'un au paradis, elle y serait demain. Merci de l'avoir fait. Merci beaucoup. Alors, tout le monde veut parler Allez, parlez. Je salue cette auguste assemblée. Écoutez, Anta, on se connaît depuis dix ans. Alors, moi, je suis directeur général de Roger, une filiale française dans l'agroalimentaire. Et j'ai connu un tas, comme ça, je ne me rappelle plus. Et donc, ça fait dix ans qu'on accompagne l'Empire. Et particulièrement pendant le ramadan, on organise un logo festif pour les enfants. Et c'est devenu un rituel pour mes employés. Et vraiment, l'Empire fait partie des actions de Roger. Et je pense que les gens nous connaissent plus par l'Empire. On est accompagné même par la télévision nationale qui vient tous les ans. Et moi, je suis ravi, très content d'être là parce que c'est important. Je pense qu'au-delà de notre métier de développer des entreprises, créer de la richesse, on a un devoir social. Et moi, l'Empire, euh, j'en fais un point d'honneur et je suis très très heureux et très content d'être avec vous. Et je remercie tous ceux qui sont là parce que ce qu'on a fait, c'est pour Anta, c'est pour l'Empire, c'est pour les enfants. Et les enfants, c'est l'avenir et la richesse de demain. Je vous remercie. Merci de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup. C'était trop serré là. Elle m'a dit, je serai là quand même. Bon, alors, Abdullah. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, je suis Abdoulaye ancien pensionnaire de l'Empire des enfants. Bon, pour la, pour nomination, ce n'est pas du nouveau, c'est pas du nouveau saison. Bon, merci, monsieur l'ambassadeur. Bon, je suis Abdoulaye Sarr, encore une fois. Je suis pensionnaire à l'Empire des enfants depuis que j'ai 10 ans. Bon, je suis été élevé par l'Empire euh, des enfants, par Madame Antonio. Bon, dès, quand j'étais à l'Empire, j'ai eu la chance de bénéficier sur des activités sportives comme scolaires aussi. J'ai des un diplômes d'infographie, print et multimédia. Et actuellement, je suis en train de suivre une formation de cinéma d'animation à l'Institut africain en management IAM. Bon, c'est un peu ça mon parcours, c'est grâce à la des enfants. et en même temps j'ai eu mon permis de conduire grâce à l'ambiance des enfants et je suis encore pratique et en même temps, je, suis pratiquant en taekwondo, je suis au ceinture noire des Indiens. Attention, deuxième hein. Encore, tout ça, c'est grâce à l'empire des enfants, grâce à mon amour. Bon, je vous remercie. Bravo. En tout cas, merci à ministre du Tchakra. C'est ça. Hein. Tiens, Michel le ministre, dites quelque chose, un mot. Après, on va manger. Hein. Salut, direct de fête. Vite, hein. Voilà, avec, votre permission, en tout cas, merci euh, à, toutes et à tous d'être présents ici, euh, parce que ça nous honore de voir que Madame Beau, qui est, qui notre leader, c'est elle qui nous, hein, qui, nous, inspire tous les jours à, nous, surpasser et on sait qu'on n'atteindra jamais le niveau qu'elle a atteint, mais au moins on aura en tout cas participé comme on peut. Euh, aussi l'a dit tout à l'heure, euh, ça fait maintenant plus de 15 ans qu'elle fait ce qu'elle fait. Et c'est normal qu'elle soit fatiguée, qu'elle prenne de l'âge et qu'une nouvelle génération voilà, prenne le relais. Et c'est ce qu'on s'évertue à faire. Voilà, et on essaie d'impliquer tout le monde. Il y a mes amis, tout le monde, mon père. En tout cas, j'implique tout le monde dans cette cause que j'ai découverte euh, vraiment grâce à elle. Et il y a énormément de choses qu'on pourrait dire, mais on préfère agir. Je pense qu'on est dans le temps de l'action. Du moins, s'il a dit, il y a énormément de choses sur lesquelles on doit agir. Et je pense que c'est sur quoi on va, on va s'évertuer, sur quoi on va dépenser notre temps, notre énergie, pour qu'on ne vive pas encore 15 autres années où des enfants seront dans la même situation. Donc, euh, merci beaucoup. Je pense que les banques. Euh, merci de donc euh, je suis chanteur du groupe Khalam et en tant que depuis des années et des années donc chaque fois qu'elle fait appel à nous à tous les membres du groupe je parle au nom du groupe Khalam on est toujours là on est toujours présent et cette femme a besoin d'être aidée je pense que l'instant est n'est plus aux paroles mais aux actes que toutes les bonnes volontés vraiment s'unissent défendent quelque chose pour les enfants parce que nos enfants là aussi ce sont nos enfants c'est l'avenir de demain je vous remercie waaw man décoration bi am naa ci lu ma neex ndax daaf gi ñu ko tuddee moo tax ma xam ante il y a plus de 35 ans à bourge donc euh, déjà loolu rek lu rëy la et ante sama xarit la sama sœur jumelle la ni mu ko waxee ñooy daan ànd depuis 35 ans daal nekk France ci jàmm ñëw fii continuer nekk ci jàmm daal sama xarit la sama doomu ndey la.

Euh, xaritoowuñu euh, kiiwuñu dëkk du dëkkandoo euh, du du du du dëkkandoo dañu bokk tubaarkàlla macha allah kër gi ma juddoo fa la juddoo yaayam ak sama papa bokk ndey ak baay ñu juddoondoo màggandoo defandoo lépp tubaarkàlla ba mu dee mami Anta ba tey lii la xam lii la bëgg parce que nit ki tamit loo nàmpul doo ko doo ko def papaam Ndoye Mbow lii la xamoon dajale ay xale di leen teral di leen defal lu baax yaayam la même chose yangoone moo ñu yar ca biir kër ga donc mami war naa mën a liggéey lii ba réussir ci tubaarkàlla bañ koy dekoore lii nag du du chance ci moom mérite la ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na ci wér topp ñu dund ba tubaarkàlla xale yii mu sonn ci ñoom ñu dund ba di ko ko fay walla ñuy jéem mbokk te li mu bëgg ci ñoom yàlla defal leen ko ñu jaar ci yoon wu baax loolu rek laa amoon lu ma ciy wax kontaan naa ci lool. mom dal ba jappé batay bayiwul wax deug neex yalla yal nako yalla may wër ak wérle ku koy ñaanal bo yeboo ñaanal ko lool wër ak wër le ak fekke ak tal ñu fekke ko ñun ñëpp macha allah. voilà moom mooy psychologue am ci des enfants dañu bëggoon xam euh, décoration bi par rapport ak Mère Anta moy ci ce xalat ah sama xalaat moy xalaat yu ñëpp ah je pense que wax nañ dëgg ah, Anta da ko mérité parce que ko koo liggéey ndaxte ñëpp xam nañ cofeel gi moom ci xalé yi. loolu nag du mbetteel tey ñu décorer ko te yaakaar naa ne euh, incha allah empire moom ca kanam rek loolu laa gëm man ñun nag euh, suñu liggéey mooy euh, stabiliser xale yi ci loolu nag dañ ci continuer di ci def liggéey boo am maanaa bu neexee la yuntu maa leen di gërëm di leen sant ah man Mamadou Diagne laa tudd boobu donc bokk naa ci conseil d'administration Empire. waaw léegi nag euh, décoration madame Mbow bi ñu ngi koy rafetlu ñu ngi koy rafetlu te euh, mu nekk loo xam ne yelloon na ko yelloon na ko euh, mérité na ko hmm? dañ koy ñaan mu mu ko te di ko gën a jàjj ci liggéey bi mu bi muy def di ñaan yàlla mu defal ko wér wér mu mën a taxaw xale yi

Donc, euh, Mami Anta, euh, vraiment, c'est une grande dame. Et puis, euh, elle œuvre, vraiment, elle œuvre pour les, enfants de la rue depuis très longtemps. Et il est normal que moi, vraiment, comme Nico, M. et Sankarek, elle a un grand cœur. Et il est difficile aujourd'hui de trouver quelqu'un qui peut donner autant, autant d'elle-même, autant de son temps, autant d'amour à des enfants désœuvrés ñun ñii di wax sax mënuñu ko non moom li mu mën wax dëgg yàlla dañ koy ñaanal rek yàlla mi mën fay mu fayal ko boppam mais euh, wax dëgg yàlla elle mérite ça elle mérite même plus cette euh, légion d'honneur cette euh, ordre de mérite xaw ma lan de l'ambassade vraiment elle le mérite énormément man nag man moo yar moo yar français ñu màggee ak moom ñun lii rek lañ ko xamee depuis France donc, Mounia Sénégal du Côte encore, c'est vraiment magnifique. C'est une très, très grande dame qui a beaucoup, beaucoup de mérite, vraiment. Merci.